coopérative bi nag xaw na yàgg parce que ñu ngi commencé presque en 2016 mais commencé cotisation en février 2017 ñu cotisé 10 000 10 000 ba am 11 mois ñu arrêté vraiment agent yi comprendre ma yokk ko def ko 20 000 20 000 En novembre 2021 la cotisation yi doog a jeex nga xam ne parcelle bu nekk mi ngi 1 million 37 500.

ñu woo la tey ne la kaa jël say kayit sant yàlla la ñëpp a kontaan macha allah ñëpp a kontaan sant yàlla. am benn promoteur boo xam ne moom nee na mën na tabaxal agent yi mais ko na bàyyi ba ñu dem ba gis site bi ba pare gisee site bi nag ñu doog a woote waat assemblée générale moom mu ñëw toog agent bu bëgg mu tabaxal la mu waxtaan ak moom après mu di tabaxal la mooy ki tabax centre commercial bu yëmbal bi waaw moom la. Bah, en français, on peut enchaîner. Le sentiment est vraiment de fierté. Vraiment, c'était très dur depuis cinq ans. Euh, la responsable du, coopératif coopérative se bat pour vraiment qu'on nous ayons nos, parcelles. Comme vous le savez, euh, on agent de la mairie, euh, si, on ne fait pas de coopérative, il n'aura jamais une maison parce que notre salaire, c'est vraiment dérisoire. Donc nous remercions nos, vraiment nos responsables d'avoir organisé euh, cette coopérative vraiment pour que les, agents puissent bénéficier vraiment des, maisons pour y mettre leur famille. C'est vraiment je suis satisfait, je suis vraiment heureux d'avoir reçu alors, euh, mon parcelle avec ma famille vraiment, nous sommes tous contents. nous sommes tous contents. Tous les travailleurs municipaux de la commune de Piguin. vraiment, nous sommes tous satisfaits de notre, vraiment notre présidente du coopérative et, vraiment les, les agents qui lui ont aidé vraiment